mbokk internet yi yéen mii di safoo seen chaîne YouTube secteur sud TV ñu ngi leen di ziar euh, te di leen naan ngeen dal jàmm ci seen chain bi ngeen taamu pour mu leen di xibaar saa su ne euh, ñoo ngi fi nga xamante mooy. Euh,

pour Moi je m'appelle Paul Gomis. Je suis le cousin à Rudy. Euh, monsieur Gomis, euh, aujourd'hui, euh, si vous devez nous parler de Rudy Gomis, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de lui Rudy Gomis est né le 30 novembre 1946. En 1951-52, il avait 6 ans. C'est moi qui le prenais à Bocot. pour la police à Boudou d'y passer la journée et le soir, je le ramène à Bocot. Pendant des années, quand il était parti à Dakar, nous nous sommes retrouvés par la suite à Dakar. On a toujours marché ensemble. D'accord, on n'avait pas les mêmes activités, mais on avait toujours marché ensemble. Quand il avait débuté, quand il avait débuté euh, à l'école, Papa Gay Fall allait course à Dakar. Moi, en ce moment, je faisais de la maçonnerie. J'avais euh, tout de suite, chaque matin, il passait chez moi là-bas, là où je travaillais. Mhm. C'est moi qui lui donnais le petit déjeuner avant d'aller à l'école chez Papa Gay Fall. Des années plus tard, je suis revenu à, ce qu'il ici avant de repartir à Dakar. Après, en 1962, mhm. exactement, 1962, je suis retourné à Dakar et on a marché ensemble. Mhm. En 65, 66, 67, il avait déjà commencé à faire de la musique. À Koloban, c'était dans le temps le Mali et Paladjoum. Mm Voilà. Moi, j'étais là-bas aussi à Dakar, on marchait ensemble tout le temps. Et par la suite, nous sommes séparés à cause de sa musique et moi à cause de mes activités aussi de l'autre côté. Euh, à quel âge euh, il a embrassé la musique En, 65, 66. Parce qu'on habitait à la boule euh, douane mhm. de Voilà, parce que son père était un douanier. Voilà il a été toujours euh, avec euh, l'orchestre Baobab ou bien il a débuté ailleurs avant Non, non, non en ce moment, c'était pas d'abord Baobab. Mhm. C'était, il y, y, a une orchestre là qui jouait à euh, Malixi, Angle, rue de Reims. Mhm. J'ai oublié le nom de cet orchestre. C'est là-bas, il a d'abord à Koloban, le Mali, c'est-à-dire Moï Paladiou et le mhm. Mali. Voilà aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui vous a beaucoup le plus marqué chez Rudy Gomis Rudy Gomis, je ne peux pas donner beaucoup de son témoignage, mais il m'avait toujours considéré comme son frère. Je suis toujours près de lui dans toutes ses difficultés. D'ailleurs, ses soeurs, frères peuvent témoigner. Jusqu'à aujourd'hui, Jusqu'aujourd'hui, est mort entre mes mains à l'hôpital de la paix. En 2016, quand il était malade, il avait une méningite. Mhm. J'étais avec lui à UHO, hôpital principal. qu'on mhm. euh, Konachap, quand il est sorti de l'hôpital, retourné à l'hôpital principal. Par la suite, quand il est sorti, nous sommes allés à Majan Padoua. Je l'ai toujours assisté dans ses difficultés. Oui. Et puis par la suite, quand moi je suis retourné à Dakar, lui aussi il était retourné à Dakar, il faisait ses activités musicales par que moi aussi, j'étais au parti des Assemblées. Ce n'est qu'encore euh, quand il est tombé malade cette temps-ci, mhm. parce que j'étais à Dakar, lui aussi il était à Dakar, il, il avait euh, qui, euh, Wakam. Euh, C'est là où il a commencé à avoir cette maladie. Chaque jour que je fais, il m'appelait Popé Popé. Popé, Popé. Sa femme m'a dit, ah, Popé, tu es à Dakar, mais Rodolphe, chaque jour, c'est Popé, Popé, Popé, Popé, pour que je vienne être tout près de lui. Je voulais venir euh, le lendemain, le 11. Je me suis dit, non, non, non, je vais revenir. Je vais venir plutôt le, le 9. Arrivé ici les 10, le jour de la fête des Ramon. J'étais avec lui le lundi, il est rentré à l'hôpital. C'est moi qui passais la nuit à l'hôpital avec lui. Pendant trois jours, il est sorti. Et quand il est sorti, on est resté à la maison pendant 48 heures. On est reparti le samedi avant Pâques. On est reparti à l'hôpital. C'est moi qui ai passé la nuit à l'hôpital avec lui jusqu'à sa mort. Parce que chaque fois qu'il était malade, c'est moi qui le demandais que je vais être à côté de lui. Je le prenais comme mon petit frère, mon ami, mon parent et tout ça. suis ngi tudd Marie céleste Je suis soxna ci Rudy Gomis ah Rudy témoigné ci moom yomb na yombut mhm. ndax yaatu na yaatuwaay koo xam ne mhm. wax ci moom il faut nga natt looy wax ak loo dul wax mhm. di xol bi rafet na xalaat bi rafet na bëgg na nit bëgg njabootam mhm. bëgg ay mbokkam bëgg nit pour ma résumé dafa bëgg nit yaatu ci liggéeyam mooy musique bi yaatu ci enseignement bi mu doon bi mu doon def parce mm-hmm. que c'est mm-hmm. lu mu xam seddoo ko nit ñi lu mu am seddoo ko nit ñi tey bu ñàkkee du dara yéwén gu metti rek waaye ñàkkul ndax na ay nit mm-hmm. na ay nit njabootam fonk nañ ko tailleur jëkkër ju baax te am itte ci nit am itte ci nit am itte ci nit tey boo ñu naree wax eh, eh, ci moom par rapport ak musique bi nga xamante ne moom la doon def ak ñi nga xamante ne la bokkaloon orchestre Baobab bi ñu fa nekkaloon yan seede nga ñu ci mën defal groupe boo xamante ne la bu liggéey jotee dañuy liggéey mm-hmm. bu foo jotee mm-hmm. dootoo ci xàmmee mm-hmm. kenn ndax ñi ci gën a ndaw dañuy tàppaas mag ñi ñuy door dàqee di foo di ree loolu laa xam ci ñoom bu ñu ñëwee kër ga waxtaan kaf rey bu waxante dëgg jotee ñu wax léeg-léeg mu tàng waaye bu ñu paree jeex na mu delluwaat doon mel ni ñu bokk ndek baay relation yooyu laa amoon ak musicien orchestre Baobab relation yooyu laa am ak jeune génération yi nga xamante ni dañoo bëgg musique dugg ci musique comme ni ma leen ko waxee yéwén na yéwén koo xam ne mhm. xale bu ñëw am sa projet musique mm-hmm. boo tàngee xool nag doo liggéey ak moom mm-hmm. parce que moom perfection li mu bëgg ci perfection ci musique mm-hmm. mënu leen ko natt ko natt nga wëy wëyam sax juum tuuti day mer waaw donc ñi daan ñëw ñi ko déglu ah, am naa yaakaar ne fël nañu ci musique bi loolu yàlla da ko ko mayoon diggante mag ñi mu dëkkaloo nag koñ ji mu nekkoon ñëpp ban genre relation la la amoon ak ñooñu. xam nga kuy foo ak xale. Mhm. mën na dëkk ak ku waaw. fay ñu dëkk Liberté 6 suñ ko daan wër damay ne xale yi taxaw leen ngeen déglu fu ay coow xale am. Mhm. dem leen seet mu ngi ci biir xale yi. du mhm. di xale yi rek lay fool moo tax mu am jàmm ak ñëpp. ci koñam ba mu dëkk fu ñu munti dëkk moom la ne ñi njëkk min ko man mi waaw dafa bëgg ni bëgg xale bëgg ni amul musu amul fenn fu ñu dëkk mu jote fa nit mm-hmm. diggante man njaboot bi nag ah diggante man njaboot ji ku bëgg njabootam la mm-hmm. mais comme ni ma ko waxee rek rigueur ko sonal mm-hmm. rek ko sonna lu mu la ma aw ma wax du man mi jabaram du njabotam kum ci wara wax dëgg da la wax waaye dafa diko ko su waxee ba pare mm-hmm. mu mel ni gomme électrique la yor effacé na ko ci xolam jàll na ci la je m'appelle Patrice Sagna natif de Sinodone à 25 mm. km d'ici qui a fait une partie de son enfance ici à Boudodi alors euh, en compagnie de tu défends... Rodolphe Gomis. Rodolphe, on était tout le temps ensemble. Mhm. Un super garçon, très gentil, mais très taquin, très taquin. Tout son défaut, c'est taquin. Mhm. Voilà. Mais il n'était pas bagarreur. Non, non, il était simple, mais taquinage. Ah, il était tout fort. On allait on était trois. Trois garçons de Boudouri mhm. qui allaient tous les matins faire les cours à Tilène. On, allait à pied mhm. et on, rentrait à pied à Boudoudi. C'était matin, midi, soir. C'était un monsieur qui nous a pris. Il a fait une hutte juste là où se trouve l'école des sœurs de Tilène. C'est là où il avait mis sa hutte mhm. et c'est là qu'il nous a pris euh, en classe de CM2. Mhm. Il y avait Rodolphe, il y avait Léopold, mhm. il y avait moi qui partais de Boudodi tous les matins pour aller suivre les cours là-bas. C'est avec ce monsieur-là qu'il a tant aimé. À cause de lui que nous tous, tous les trois, on a eu cette année notre certificat type primaire Avant le certificat du type primaire c'était l'équivalent du brevet. Lorsqu'on a eu chacun de nous le certificat du type primaire c'est là où il y a eu cet exode de tout bon avancé à aller mhm. chercher ailleurs. C'est ce qui a fait qu'on s'est séparés. Lui, il est allé à Dakar, le faux Léopold aussi est allé à Dakar, et moi, je suis resté à la chambre de commerce de Ziguinchor mhm. jusqu'en 1964 pour aller aussi les trouvé à Dakar. Donc, Rodolphe, euh, c'est un garçon très simple, très simple, très cordial, très viviable. Tout là où tu le vois, il faisait que s'amuser, il se rigolait, tu l'as dit sans tu vois déjà ses, dents. Mhm. Non, il n'était pas agressif, mais taquin. Ah non, c'était le maire, c'était le maire à l'école avec nos amis de Tilen, on lui promettait chaque fois euh, euh, qu'on allait lui casser la gueule. Casser la gueule. Nous, qu'est-ce qu'on avait comme force On était petits devant ces gens-là. Mhm. La force qu'on avait, c'est quoi C'était nos pieds. pour courir, on était trop fort. Mhm. Personne ne pouvait nous attraper. C'était comme ça. Ah, ça, c'est ce que je peux apporter de Rodolphe. Mais euh, comme euh, vous avez fait euh, l'école ensemble, est-ce qu'à cette époque-là, il avait déjà montré sa passion pour la musique Non, à non, pas mhm. encore. Non, non, c'était encore l'enfantillage, on était tout jeune. on faisait, on était tout le temps ensemble, on jouait le ballon, on allait faire la pêche. Et ce qu'on avait comme activité en dehors de la pêche, c'est le cinéma. Mhm. Si on veut aller au cinéma, on fait tout pour aller chercher des produits dans la mer, ou euh, dans le fleuve, mhm. pour vendre. Et avec le produit de la vente que nous avons, nous, partons au cinéma. C'est comme ça. Mais ce n'était pas manifesté au départ comme euh, activité musicale. Non, non, non. Mais c'était un chant de Pour le voir faire des bagarres comme ça là non non non maa ngi tudd Hortense Gomis mhm. di rakk si Rudy Gomis ku lan nga ñu mën a seedal ci kii nga xamante ne mooy dem si yàlla bi seede yu rafet si moom mhm. sunu mag la bëgg nañu bëgg na famiyam bëgg na Casamance am ba ñoo gaañu si dëkkam mhm. waaw dëgg bëgg na Ziguinchor waaw bëgg na dëkkam trop mu doonoon koo xam ni euh, musicien la Sénégal yëpp ci loolu lañ ko xamee euh, nekk ci bokk ci orchestre ba ñuy naan euh, Baobab lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ne mooy musique bi nga xam ni moom la seen frère bi doon def. waaw bëggoon ko lool nag. Mm-hmm. bëggoon ko lool commencement bi ak papam daf ñu koy raconter tout le temps. d'accord paa bi bëggul woon daf ko bëggoon mu def des grandes études. ok mais waaw après mu kii mu ne ba benn jour ñu ñëw ne sa doom mu ngi def musique. tel endroit boo fa demee dinga nga ko fa fekk mu ne effectivement loolu la fa fekk mu indi loon ko histoire nag maroon na trop après nag la bàyyi mu xam ne kii passion am la mhm. mu bàyyi ko ak moom waaw mais n'empêche mu ngi doon liggéey day jàngale prof mhm. dafay euh, nekkoon si USAID nekk na ak kii américain yi corps de mhm. la paix américain waaw day enseigner en nolof français joola waa lakk yi bëri dëgg na ko ci loolu la doon yëngu. mais terew ko mu doon def ak métier mais am na métier am. métier waaw am famille bëgg mbokk mi bëgg ñëpp. muy genre mag la nekkoon ci seen fête. mag du respecté ay respecté ay rakam bu respecté mbokkam bu bu neex a dundal. Mhm. dund ak moom. waaw waaw. man musuma fàttaliku fu ma amee problème ak Rudy au contraire dafay ne moom daf ma rus man ma rus ko waaw. Mhm. suma ki eh, mbokk ñepp la dal ñepp la bëgg bokk bëgg yaayam bëgg a famille yaayam bëgg ñepp la dal malgré nit do parfait mm. mais am nga ay défaut am na mais mom di mom ma sha allah ma sha allah ñu leen koy jaale ñaan yalla nako yalla yàlla xare ko aljana merci waaw ñu leen di jaajëf leen remercier yeen ñepp waaw ñëpp ñu fi jaar waaw merci beaucoup di remercier Sénégal bi yépp mm-hmm. waaw ñëpp ngi woote fu nekk Bonjour, je m'appelle Youssou Diemé, mais je suis plus connu sous le nom de Papis Diemé. Euh, Rudy une personne que vous avez eu à côtoyer, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui Pour nous, c'était d'abord un père, mhm. parce qu'on habitait ensemble à la CICAP Liberté 6. Moi, je l'ai connu depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Euh, je suis euh, un ami de ses enfants, une famille que je connais bien depuis Dakar jusqu'ici à Shor, au Jachlim Boudodi. Donc c'est une personne que j'ai toujours connue. Euh, quels sont euh, euh, les, moments que vous avez à partager Quels souvenirs retenez-vous de lui Ce qui vous a beaucoup marqué Ce qui m'a beaucoup marqué chez lui, mm en plus d'être un artiste, auteur-compositeur, mhm. c'était un grand musicien, mais qui n'est jamais descendu de scène. Il est toujours resté sur scène euh, déjà au quartier, euh, on l'entendait chanter du matin au soir. Il chantait en français, wolof, mandingue, mm. créole. C'était sa passion, il chantait tout le temps pour tout le monde. Et c'était un homme de paix, un unificateur. Voilà, ça arrivait même euh, dans notre jeunesse pour éviter que les jeunes se bagarrent tout le temps. Il nous lançait un défi en nous disant si vous restez jusqu'au soir sans vous battre, vous passez à la maison, je vous donne à chacun une pièce. Et cette pièce, on faisait tout pour ne pas se battre toute la journée pour aller chercher cette pièce-là qu'il nous avait promis. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai retenu de lui. Mais en plus de ses talents d'artiste, musicien, c'était un grand humoriste. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Voilà, il aimait, il aimait bien blaguer, il mm. aimait bien nous raconter des histoires. Avec lui, on rigolait tout le temps, on s'ennuyait pas. Voilà. mbokk internet yi yéen mi di safoo seen euh, chaîne YouTube euh, secteur sud TV euh, dégg ngeen ci li nga xamante ne mooy témoignage yi nga xam moom la famille défunt feu Rudy Gomis wax ci li nga xamante ne mooy dem si yàlla bi te di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana yal na suuf sedd ci kawam te na ko yàlla jéggal ay baakaaram équipe secteur sud ñu ngi bi te di ki nga xamante mooy dem si yàlla bi fa mu nekk yal na ko gënal fi nga xamante fa la jógee te yal na ko yàlla xaare aljana yu gën a kawe